waaye ndam bu njëkk la li ci continuer liggéey pour l'instant. instant léegi damay bàyyi maître Clédor li mu Saïd, oui. Saïd euh, Larifou du barreau de, de Moroni aux Comores. C'est une victoire. Il faut la savourer. Le combat sera très long, mais nous savourons avec euh, un immense plaisir cette première étape qui est une étape victorieuse. Dans une démocratie, il faut les institutions, mais il faut aussi des hommes euh, courageux, solides. Et nous pouvons dire que nous avons été très très bien servis. Personnellement, j'ai une immense satisfaction d'avoir, avec mes éminents confrères, contribué à la consolidation des valeurs et puis de l'héritage euh, démocratique de ce grand pays qui est le Sénégal. La décision d'aujourd'hui va inspirer d'autres juridictions de d'autres pays également. C'était une contribution mais très précieuse que le Sénégal une nouvelle fois, donne à l'Afrique et puis au monde entier. Et d'autres pays africains, et j'en suis certain, d'autres magistrats des autres pays, j'en suis certain, vont s'inspirer du courage de l'institution judiciaire euh, du Sénégal qui se détache de plus en plus des autres pouvoirs également. Maître, est-ce que cette aura des effets sur les autres affaires en cours, notamment les fiches de parrainage ou encore l'affaire Adissar Bon, euh, sur l'affaire du parrainage, sans doute, puisque M. Sonko est rétabli dans ses droits en tant que citoyen sénégalais. Il retrouve ses droits politiques. Bon, donc, bien sûr qu'il sera candidat, plus que candidat encore. Quelle est la prochaine étape euh, pour, vous, les avocats bah, Écoutez, euh, la prochaine étape, elle les politique. Pour nous, il n'y a pas d'étape judiciaire encore. Euh, avocat, vous êtes, vous êtes satisfait aujourd'hui Je suis, il est vrai, satisfait, mais très fier du juge qui a rendu la décision il a fait montre d'un courage énorme. Et tout le monde a été surpris et déçu par l'attitude de l'État du Sénégal, qui après avoir nommé un juge, propose sa récusation en pleine audience. Comment est-ce que cela a pu se faire Est-ce que le juge a refusé, refusé de céder aux tentations est-ce que c'est parce que le juge n'a pas eu à donner des signes qu'il aurait peur de menaces En tout état de cause, il y a une raison. Parce que personne ne s'y attendait, d'autant que le juge était en train de mener une audience où il était à équidistance. Il y a donc quelque chose qui s'est passé au sommet de l'État. Donc c'est une fierté. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que c'est un vent de liberté et d'indépendance qui souffle dans les rangs des magistrats. Un vent qui a débuté au nord avec l'avocat général Marem Tout le monde a pu apprécier son courage de dire que l'État avait tort et que l'État était dans la voie de fait et que l'État était dans l'arbitraire, qu'il ne pouvait pas priver Ousmane Sonko de ses droits et que le ministère de l'Intérieur n'était pas dans le droit, qu'il était dans l'illégalité. Un acte de courage. Et maintenant, après le nord, c'est au sud, le juge de gilles Donc le juge de gilles lui donne raison, en réalité, que tout cela relève de la de voie de fait et d'une forme d'exercice de la violence sur non seulement les citoyens Ousmane Sonko, mais aussi sur la population. Parce que c'est la somme des citoyens, des citoyens qui fait un peuple. Et Ousmane Sonko, aujourd'hui, dirige des millions de Sénégalais. En les réprimant, en lui refusant ses droits, on force le jeu démocratique. Et déjà, les parrainages ont commencé la rupture de l'égalité dans la compétition est déjà rompue. Donc, ce vent de liberté inspirera d'autres juges. Parce que j'ai dit, j'ai dit qu'il existe dans ce pays des juges fiers, des juges honnêtes, des juges indépendants, des juges courageux. Il n'y a jamais trois. Attendons de voir le troisième. Maître, l'agent judiciaire de l'État a, semble-t-il, évoqué des proximités entre le juge et un proche d'Ousmane Sonko. Que répondez-vous à cela Si la proximité seulement devait jouer, d'abord c'est faux. Parce que Ousmane Sonko ne connaît pas le juge, le juge ne le connaît pas. C'est une vérité. Mais l'État dit que le juge aurait un frère qui serait un collègue de Ousmane Sonko. On n'a jamais parlé, il n'y a pas de lien de subordination. Il n'existe aucune, il n'y a pas de lien de parenté. Il n'y a pas de lien d'amitié. Et il n'est pas dit que le juge connaît Ousmane Sonko. Alors, mais c'est quoi la conséquence maintenant Est-ce que cela veut dire qu'Ousmane Sonko va être euh, euh, euh, candidat Est-ce qu'il y aura une incidence sur les autres affaires judiciaires La candidature d'Ousmane Sonko est une exigence sociale c'est une exigence du peuple sénégalais. Est-ce que juridiquement c'est possible maintenant Juridiquement, Ousmane Sonko doit être candidat. Nous nous battrons et le dernier mot appartient au peuple sénégalais. À partir de la décision de Shor, dès demain, il devrait pouvoir commencer les parrainages. li pour moi moi dit que juge le la qui bëre ba kawe ba cour suprême mariam Diop Gueye deug ba mu fa waxone né jaay doolé lañu ñu bëgg a Ousmane et que li ñuy def yépp teguñu ko ci yoon que yëfu woyu yi ñi def dañ ko wara a arrêté et que ñu bayyi Ousmane comme tous les citoyens mu retiré fiche am day nga mun participer ci parrainage loolu la kii firndeel tey mais kii dafa gën a sori dafa nekk lii état bi def wéeru ko fenn tegu ko ci xam-xam tegu ko ci dëgg kon boog nañu dindaat Ousmane niñ ko dindee faase ko nañ ko ci delloowaat ci ni mu gën a gaawee te bu ñu jëlee ci benn du ñu jël benn mesure boo xam ne mun na tere Ousmane nekk ci liste yi te Ousmane bu nekkee ci liste yi day wane que ne Ousmane day nga candidat la à la agent judiciaire l'État nee na Sonko dafa jege mbokk kenn ci juge moo tax mu récuser ko. tontu naa la nee naa la ko yoon. jege mooy lan waxul nekk Ousmane xam na juge bi waxul nekk Ousmane lekk naag juge bi waxul nekk aussi nan la tuddati euh, Ousmane Sonko ak juge bi am na firnde nekk nan la tuddati euh, jokkoo nañu comme yooru ko fenn dañoo jafur nguur goo xam ne dafa nekk ci jeexantalam te jii jafur nañu xamatuñu fu ñu jëm wóolootuñu kenn képp koo xam ne que xam nañ ne que kii bu ñu xëy na bu ñu jéemee ger doxul ñu xoqatal doxul bu boobaa duñ la wóolu ñàkk loolu moo tax fi mu ne xamatuñu ñoom fu ñuy jublu wante na ñu xam ne que junni magistrat ngi ci dëkk bi ñoo xam ne am nañu fit bi am nañu sañ-sañ bi am nañu xam-xam bi te bu yàlla dogalee mu dox seen loxo dañu leen di gën a bottiwaat rek ci suuf. maître ban njeexital léegi la décision bi am plan moom moo di que Ousmane Sonko dafa war a commencer ay parrainage am te it war a déposer candidature te loolu nag loolu moom mooy yoon dégg nga lii ñuy def yëpp maanaam ci xeetu noot la wante Sénégal yi yeewu nañu kenn du nangu ñu noot ñu te kenn it du nangu. ñi nga xam ne dañoo jeexal ñu doon ay xong faaf dégg nga bëgg fee toog abadaa day yi man loolu day dàkk question. waaw waaw. ci dadi dadi dadi ah, voilà ñoo ko ñoo ko déggandoo euh, li avocat yi di avocat Ousmane Sonko wax euh, kii di kii di Ousmane Sonko am na am na dëgg si ñoom. waaw ñoom la ñuy xaar dégg nga waaw boo ko bëggee waaw téléphone bi waaw waaw. ok ok Paul Paul Paul record amul foofu. waaw waaw damay dégg waaw. Apa yi ada? jëluma leen de avocat état Thank you. Nous sommes dans un état il a rendu sa communauté. Nous ne partageons pas. Dans des conditions.